forum du studio forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangou. Une émission dans laquelle se font des échanges sur des thématiques importantes de la vie et qui vous permet d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Il s'agit d'une émission que le Studio Kalangou diffuse à travers ses 45 radios partenaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national du Niger et depuis le 1er octobre sur cinq télévisions partenaires dont quatre à Niamey et une à Zender. Notre forum de ce soir porte sur la thématique de la prévention et de la gestion des conflits en période électorale au Niger. Comment se présente le climat actuel de préparation des élections au Niger Quels sont les mécanismes mis en place pour prévenir les conflits liés aux élections Comment gérer les conflits éventuels au cours des élections auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, c'est donc pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et bien d'autres que nous avons invité M. Hamid Moussa, qui est le chargé des projets au niveau du ROTAB, Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Nous avons également invité M. Seydou Soleiman, qui est le secrétaire général du Monde Courtia pour la tenue de ce forum, nous avons invité le NDI National Democratic Institute, mais qui n'a pas encore répondu à notre invitation, et également la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui n'est pas encore présente pour la tenue du forum de ce soir. Pour la modération du forum, Bakim Al-Mustafa. La Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement annoncé les dates pour la tenue des prochaines échéances électorales au Niger. Ainsi, les élections locales sont prévues pour le 13 décembre, les élections législatives couplées aux élections présidentielles premier tour prévues pour le 27 décembre 2020. Il n'est un secret pour personne, la période électorale allant des campagnes jusqu'à la proclamation des résultats définitifs est une période qui est le plus souvent émaillée par des tensions entre les différents bords politiques dans les nombreux pays de la sous-région. Tensions dont les conséquences sont fâcheuses pour la stabilité et la cohésion sociale. Ces tensions qui interviennent pendant la période électorale sont dues au manque de tolérance de certains acteurs politiques ou l'ignorance des voies et moyens des revendications légales. C'est donc pour prévenir et gérer les conflits liés aux échéances électorales que plusieurs acteurs nationaux et internationaux interviennent pour sensibiliser les différentes parties et promouvoir le dialogue et le consensus et permettre ainsi une pacifique alternance au pouvoir. Nous commençons ce soir notre forum avec euh, Hamid Moussa, chargé de projet au niveau du ROTAB, Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, acteur de la société civile. Dites-nous, Monsieur Idrissa, d'après vos analyses, comment se présente le climat politique nigérien en cette veille des élections municipales législatives et présidentielles. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, permettez-moi de saluer beaucoup euh, le studio Klangou qui nous a permis vraiment de venir faire le débat. Une thématique aussi importante que celle-là, parce que d'entrer en jeu, aujourd'hui nous pouvons dire que ça tombe dans une période où les gens ont commencé euh, à se préparer pour euh, les futures échéances électorales. Avant de me prononcer sur euh, les élections, en amont, on devrait, on devrait faire une analyse profonde de la situation qui prévaut actuellement. vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, le Niger est dans une situation d'insécurité accru ou, euh, si on peut le dire, euh, presque les deux tiers. Euh, un tiers du territoire nigérien est sous menace. s'ajuste à cela des prémices des tensions électorales avec plusieurs paramètres aujourd'hui qui est en jeu. Le non-respect du code électoral que nous, en tant qu'observateurs, on observe sur euh, la scène, aujourd'hui, pas mal de partis politiques sont en campagne tout en disant qu'ils euh, font euh, des tournées de proximité avec les militants, alors que le code électoral a défini clairement les périodes de campagne, mais cela n'empêche à ces acteurs d'y aller battre campagne. Il y a vraiment des subtilités. Les gens on remarque beaucoup de défaillances sur ce plan. Pour euh, revenir aux prémices de ces élections, euh, nous savons bien que deux leaders politiques, pas de petite taille, dans les partout, un peu partout, au sein même des partis politiques, on n'en fait qu'à parler de ça. Il s'agit de l'article 8 mhm. du Code électoral et de l'article 47 de la Constitution. D'aucuns disent que ces leaders politiques seront euh, écartés euh, de la course euh, électorale. Tous ces paramètres nous montrent vraiment un cocktail des tensions préélectorales et post-électorales si nous ne faisons pas garde de tout cela. D'accord, merci euh, Monsieur euh, Hamidou Moussa, chargé des projets au niveau du ROTAB, réseau des organisations euh, pour la transparence et l'analyse budgétaire. Nous avons avec nous ce soir Monsieur Seyd Souley Mahamadou, qui est secrétaire général au niveau de Monde Courtia. Dites-nous, Monsieur Souley Mahamadou, quel est l'objectif visé à travers la création de ce mouvement de Monde Courtia Merci beaucoup, Monsieur Al-Mustafa. C'est un grand plaisir de pouvoir participer à ce forum, qui est un moment important de Et effectivement, euh, Monde Courtia est un mouvement qui existe euh, depuis quelques mois maintenant. C'est le mouvement nigérien pour la démocratie. Alors, nous sommes partis d'un constat. Comme disait Hamidou, aujourd'hui, notre pays euh, a besoin d'un fort engagement de citoyens à tous les niveaux pour pouvoir agir ensemble pour consolider la démocratie au Niger et faire en sorte aussi que la cohésion sociale que nous avons jusque-là réussi à préserver, qu'elle continue à être préservée. Donc Monde Courtia a pour objectif euh, premier d'abord de dire euh, pour que le champ politique marche convenablement, la démocratie marche convenablement, il faut de l'inclusion. Il faut que toutes les franges de la population puissent jouer un rôle. Et c'est pour cela que dans notre euh, programme en tant que mouvement, nous avons mis au centre les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Vous voyez que euh, le Niger est un pays majoritairement jeune. Mais beaucoup de, difficultés liées à la gouvernance viennent aussi du fait que dans le jeu politique, les jeunes sont souvent que des électeurs qu'on mobilise pour aller euh, voter, n'est-ce pas Ils ont euh, un rôle assez faible hein, dans les instances de décision. Et nous travaillons à encourager les jeunes à euh, arracher un rôle. Hmm, euh, dans les différentes instances, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit euh, dans les institutions, que ce soit partout où et en tout cas l'intérêt général et l'avenir du pays est décidé. C'est la même chose pour les femmes les femmes ont aussi une faible représentativité dans les différentes sphères, dans les différentes sphères, et nous travaillons aussi à encourager les femmes. Et l'autre chose qui est aussi euh, quelque chose de fondamental pour le mouvement Monde, c'est les personnes handicapées. Nous avons en moyenne, je pense selon certaines statistiques, au moins 4% de la population sinon un peu plus aujourd'hui, euh, ce sont des personnes handicapées. Et ces personnes handicapées, regardez toutes les institutions de la République. Vous n'avez pas, par exemple, à l'Assemblée nationale, des personnes handicapées vous n'avez pas de ministre handicapé, vous n'avez pas dans les partis des candidats, même aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment. Et nous travaillons dans le processus qui va venir là pour pouvoir les encourager à le faire parce que ce sont des citoyens à part entière, ce sont euh, des citoyens qui ont euh, des formations, qui euh, ont des compétences, qui ont un talent à offrir à la nation. Pourquoi ils vont être marginalisés Parce que tout simplement la personne vient handicap. Donc voilà le premier objectif du monde. Et euh, avec le contexte assez particulier de ce processus électoral, effectivement, nous nous sommes dit, nous avons un rôle à jouer, c'est celui de travailler à amener toutes les parties euh, de la population nigérienne à mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Merci, merci, monsieur euh, Sédou Souley. Nous allons venir à, ces questions de rôle que vous jouez dans le processus électoral actuel. Nous allons à présent revenir avec Hamidou Moussa, qui est chargé de projet au niveau du ROTAB, ben, réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Dites-nous, euh, selon vous, quelles sont aujourd'hui les causes euh, des euh, conflits en période électorale Les causes des conflits en période électorale se résument sur plusieurs angles, surtout pour cette année. vous n'êtes pas sans le savoir que rien que l'avant-dernier Conseil des ministres, le gouvernement a pris un décret instituant euh, l'état d'urgence sanitaire. je pense bien que il s'agit là d'une décision qui mettra mal, très mal, ce processus électoral. Parce que si vous voyez aujourd'hui le rétrécissement de l'espace civique ne fait que prendre de l'ampleur. Surtout les organisations de la société civile, ils veulent mutiler cette frange de la population aussi très, très, très importante. D'accord, donc euh, merci Monsieur euh, Hamidou Moussa, chargé des projets au niveau du ROTAB, réseau des organisations pour l'analyse, pour la transparence et l'analyse budgétaire. Nous avons avec nous, comme je le disais tantôt, Monsieur euh, Seydou Souley, qui est secrétaire général du Monde Courtia. Monsieur Seydou Souley, votre mouvement a eu à organiser plusieurs rencontres avec des partis politiques avec lesquels vous avez partagé des messages de paix, d'inclusion, des différentes couches sociales dans le processus électoral. Dites-nous comment ces leaders d'opinion euh, politiques ont-ils accueilli ces différentes idées et comment ces rencontres peuvent-elles contribuer à la prévention du conflit en période électorale et permettre d'aller euh, au Niger vers une alternance pacifique mhm. Ok. Al-Mustafa, avant de venir aux différentes rencontres que nous avons eues avec euh, les leaders des partis politiques et aussi les autres forces vives de la nation. J'aimerais d'abord vous parler un peu de la philosophie du monde et comment il est organisé. En fait, le mouvement au niveau du monde, c'est une sorte de synergie hein, de plusieurs acteurs euh, influents dans le domaine euh, de la société civile, dans le domaine de l'économie, de l'entrepreneuriat, qui ont constitué le monde. Et à l'intérieur du monde, il y a aussi des militants des presque tous les partis politiques. Et ça, c'est déjà en soi quelque chose d'assez eh, extraordinaire et important. Par exemple, eh, au niveau du monde, vous savez, notre présidente Raki Moussa, elle est quand même, euh, euh, elle n'est pas présentée. Aujourd'hui, elle dirige euh, le réseau des incubateurs eh, du Niger et puis elle a une structure qui accompagne les jeunes, les femmes, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Euh, parmi les vice-présidents du monde, vous avez le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Vous avez euh, des, cadres hein, des partis politiques. Vous avez des activistes, hein, par exemple, euh, comme les membres de Cyber cybercitoyens. Donc, c'est vraiment un ensemble très hétérogène de, des citoyens nigériens qui sont mis ensemble. Pourquoi Pour faire en sorte que, déjà, à travers notre composition, on voit le Niger de toutes les tendances. Et comme je vous dis, aujourd'hui, le monde soutient des jeunes et des femmes à être candidats, n'est-ce pas mhm. Et à militer. Mais le monde n'est pas un parti, le monde est une association. Ces hommes et ces femmes, ces personnes handicapées sont dans différents partis. Vous avez des gens qui sont du PNDS, de l'UMANA, de tous les partis politiques, mais qui adhèrent à la philosophie du monde de dire que quand vous êtes jeune et que vous voulez euh, euh, vous investir dans le champ public, on vous accompagne. Et donc, voilà vraiment la philosophie. Maintenant, euh, pour expliquer cette philosophie naturellement, puisque nous sommes dans l'intérêt général, il faudrait aller expliquer ça, et euh, discuter avec tous les acteurs. Et euh, notre présidente et les différents membres du bureau ont rencontré quasiment les partis de tous les bords, hein, l'opposition, la majorité, les non-affiliés. Alors, les résultats de ces échanges, c'est que d'abord, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, même au niveau des partis, un mouvement de cette nature est très attendu. Il est très attendu parce que eh, les leaders que nous avons rencontrés nous disent effectivement aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des voix neutres qui peuvent amener tout le monde à la cohésion. Et ils nous ont expliqué aussi que c'est vrai, eh, aujourd'hui, avec le procès électoral qui arrive, ça va déchaîner des passions. Et les, les, différents partis politiques, les acteurs qui sont dans le feu de l'action, souvent ne peuvent pas contrôler forcément l'élan, la passion qui, les anime, mais des, des acteurs plus pondérés qui peuvent, à des moments clés, attirer l'attention sur l'intérêt général, sur la cohésion nationale, ça c'est important. Donc, nous avons eu ce retour-là de tous les acteurs. Et l'autre chose qui était quand même aussi très bien, c'est qu'en dehors des partis politiques, le mouvement a rencontré aussi les acteurs de la société civile et aussi euh, les, euh, les autres forces vives de la nation. Par exemple, nous avons rencontré les mouvements religieux euh, nous avons rencontré euh, l'association islamique, les, organisations euh, chrétiennes, nous avons rencontré la CNDH et tous ces acteurs ont salué l'initiative du monde. Dans le monde, il y a aussi les acteurs culturels. Vous savez que le rôle de l'acteur culturel dans un processus électoral, comme des médias, mhm. est très important. Donc, ces rencontres-là, pour nous, c'est d'abord pour préparer le terrain pour dire, écoutez, tout ce dont Hamidou parle, sont des risques qui existent. Mais ces risques-là, nous ne faisons pas face à ces risques pour la première fois. Depuis que nous sommes rentrés en démocratie, il y a eu toujours ce genre de divergences, n'est-ce pas Et le Niger a eu une chance incroyable. C'est que jusqu'aujourd'hui, comme a dit quelqu'un, nous avons su nous arrêter au bon moment et ne pas aller vers le précipice. Et aujourd'hui encore, nous, nous pensons que c'est ça le grand défi qui nous attend. Nous sommes à un tournant. Nous n'allons pas avoir de la violence dans notre pays parce que nous n'allons pas l'accepter. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le, euh, mouvement Monde Courtia savent que euh, quand vous êtes entrepreneur, un entrepreneur a besoin d'un environnement de paix et de tranquillité pour développer son entreprise. Si vous êtes un acteur culturel, vous avez besoin d'un environnement de paix et de coexistence pacifique pour pouvoir dérouler votre art, n'est-ce pas Si vous êtes un travailleur, vous avez besoin d'avoir de la paix pour, pouvoir vous lever, comme vous, euh, Mustapha et moi, le matin, aller travailler. Mhm. Si le pont Kennedy est bloqué, s'il y a l'instabilité à Niamey, ça n'arrangera personne. Et donc, nous, voilà ce que nous construisons comme programme hein, de plaidoyer, de dialogue envers tout le monde. Et le fait que nous soyons un mouvement avec des personnes qui agissent déjà dans le tissu social, dans le tissu économique, qui ont une neutralité aussi connue parce que nous sommes affichés avec, nous ne sommes partisans d'aucun parti. Ce qui nous, ce qui nous intéresse, c'est comment le Niger va se comporter. Donc, en définitive, cette euh, philosophie que nous sommes en train de dérouler reçoit un bon écho. Les échos sont très bons et nous pensons qu'avec toutes les autres organisations de la société civile, d'ailleurs, nous allons encore davantage créer une synergie pour que, euh, pendant les échéances électorales, c'est-à-dire pendant les campagnes, que nous puissions continuer à délivrer des messages, que nous puissions continuer à agir. Après euh, les, les, campagnes aussi, que nous puissions continuer à le faire, parce que dans tous les cas, nous savons une chose. Pour faire de la violence, on utilise les jeunes. Mais ceux qui sont victimes des violences, ce sont les jeunes aussi. Et le Niger est un pays de jeunes. Mhm. Quand vous avez plus de 70% de votre population qui est jeune, et cette jeunesse-là, il ne faut pas l'abandonner seulement entre les mains des gens qui cherchent des positions politiques il faut l'encadrer. Et même ceux qui cherchent des positions politiques doivent être avertis pour encadrer cette jeunesse. C'est pour ça que nous prévoyons de faire des conférences et des formations sur le leadership. Nous prévoyons faire des accompagnements. En tout cas, il y aura tout un programme qui va être déroulé au service de la paix et de la cohésion sociale. merci Monsieur euh, Seydou Souley, euh, secrétaire général du Monde Courtia. Nous allons revenir avec euh, notre invité du ROTAB, Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Monsieur Hamidou Moussa, qui est le chargé euh, des projets au niveau du ROTAP. Dites-nous, euh, la CENI, normalement, dans ses activités, euh, collabore avec les acteurs de la société civile. Est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui d'un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place pour aller vers la prévention et la gestion des conflits en cette période électorale À ma connaissance, je sais que la CENI travaille effectivement avec quelques organisations de la société civile ils font des formations et de sensibilisation. Euh, mais du point de vue euh, de l'organisation des élections, euh, actuellement, la CENI est en train de former les présidents des commissions, tant au niveau régional, départemental que communal. Mais moi, personnellement, les listes, quand j'avais parcouru ces listes, j'ai vu beaucoup d'anomalies mhm. parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qu'il faudrait nécessairement réquiser dans ce processus. Et pourquoi euh, Parce que quand tu vois des militants affichés pour aller superviser et être un acteur important dans une commission euh, régionale, départementale et communale, je t'avoue qu'il y a anguille sur roche. Et aujourd'hui, nous, au Niger, nous voulons vraiment euh, des élections libres, transparentes et inclusives. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple des militants euh, affichés qui aujourd'hui se retrouvent dans ces listes Bon, je n'ai pas gardé des noms, Mhm. Mais quand même, je sais qu'il eh, il y a au moins un que les gens décrivent, mhm. qui est le président de la commission régionale de, de Zander, en l'occurrence euh, le procureur, mhm. qui a fait, si tu suis les, informations sur euh, la toile, dont les gens en parlent beaucoup de lui pour euh, diverses raisons que j'ignore, il le réquise. Et ça, ça ne donne pas de bonnes images pour une élections libres, transparentes et inclusives. Maintenant, revenons euh, aux activités que la CENI elle-même euh, fait avec euh, des organisations de la société civile, avec la Commission nationale des droits de l'homme. Là, je dirais que vraiment, ils font un bon travail parce que ça permettra aux acteurs de la société civile de se rendre d'être au parfait, du moins, euh, de tout ce qui se passe au niveau de la CINI. Là, c'est un travail remarquable. Je les félicite vraiment dans ce sens. D'accord. Donc, M. Euh, Monsieur Hamidou euh, Moussa, vous êtes acteur de la société civile. Dites-nous comment les organisations de la société civile au Niger interviennent dans le cadre de la prévention des conflits électoraux et éventuellement de leur gestion. les acteurs de la société civile, d'abord, en amont, ils font des sensibilisations. C'est ce qu'avait dit M. Suleiman. Il, a il fait vraiment des sensibilisations à travers les FADA, euh, les couches les plus vulnérables, parce que euh, vous n'êtes pas sans le savoir aujourd'hui, notre jeunesse est très très très fragile. Les gens utilisent les jeunes à des fins politiques et le milieu scolaire, euh, les étudiants, fait des, des, des, rencontres de proximité avec, ces avec les étudiants, avec des thématiques qui rentrent dans le cadre de ces élections en attirant l'attention la, de tout un chacun pour qu'il joue sa partition dans, dans l'apaisement de, de, ces, de ces processus électoraux. Ça, c'est un premier travail. Maintenant, pendant les élections proprement dites, ces, organisations de la société civile se constituent comme des observateurs au niveau et euh, sur le territoire national. Les gens vont jusque dans les bureaux de vote, du début du scrutin jusqu'au dépouillement pour constater réellement quel était le comportement de tout un chacun et comment ces scrutins se sont déroulés. Ça, c'est un aspect très important. Et ils font des rapports. S'il y a des, manquements, ces rapports le révèlent. Maintenant, après les élections, c'est toujours des observateurs. Ils ont un œil regardant sur tout le processus électoral. Et on attire vraiment l'attention des citoyens parce que le vote, c'est un devoir et un droit. On attire l'attention des citoyens pour pouvoir remplir valablement ses devoirs et, et, accomplir ses, remplir ses droits et accomplir ses devoirs. D'accord, merci euh, Monsieur Hamidou Moussa, chargé des projets au niveau de, du ROTAB, réseau des organisations pour euh, la transparence et l'analyse euh, budgétaire. Nous allons poursuivre nos échanges. Cette fois-ci, nous allons parler des conséquences des conflits en période électorale. Donc, nous avons avec nous, comme je le disais tantôt, Monsieur Seydou Souley Mohamadou, qui et secrétaire général au niveau du monde Kourtia, un mouvement euh, créé pour appeler à la cohésion sociale, pour appeler à l'inclusion des différentes couches sociales dans le processus électoral au Niger. Monsieur Sédou euh, Souley, dites-nous, euh, selon vous aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences des tensions électorales sur la cohésion sociale Alors, les conséquences peuvent être multiples. Peuvent être multiples. Vous savez, il y a un fameux dicton qui dit quand une bagarre commence, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller, n'est-ce pas hmm? Et bon, au Niger, euh, comme je le disais, moi je pense qu'en tant que Nigérien, c'est ça qui doit être notre fierté. Nous avons beaucoup de valeurs et de réalités dans notre société qui nous ont toujours préservés à aller vers des dérives. Prenez un exemple, le brassage au Niger. Hmm? Euh, le, le, fait qu'aujourd'hui au Niger, nous sommes, toutes les ethnies hmm, mhm. sont entremêlées. Vous ne voyez pas une région du Niger monoethnique. Ça n'existe pas. Vous ne voyez pas une famille nigérienne monoethnique. En fait, tous les Nigériens sont les mêmes. Mhm. Et donc ça, je pense que et, euh, souvent, les hommes politiques ou bien les jeux politiques jouent sur les divisions, n'est-ce pas Vous voyez dans d'autres pays, juste le, le, levier ethnique ou territorial ou autre est utilisé et paf, ça va. Nous, au Niger, déjà, on a une chance, c'est que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes des cousins. Tous les Nigériens sont des cousins. La parenté à plaisanterie, elle existe partout, n'est-ce pas mhm. Et de l'autre côté, je pense que malgré la fragilité de notre jeunesse, aujourd'hui, au sein même de notre jeunesse, il y a beaucoup de voix et, euh, qui se font entendre et qui font appel à notre raison. Et ces voix-là, c'est dans des moments comme ça qu'on a besoin de les entendre davantage. Et je pense qu'on les entendra davantage. Nous voyons tout ce qui est en train de venir au niveau des artistes, au niveau du monde courtier, au niveau de tous les autres acteurs de la société civile, pour dire nous devrons tous jouer un rôle, mais ce rôle doit être positif. Et euh, donc ça, je pense que ce sont des leviers sur lesquels il faut travailler. L'autre chose qui est importante pour prévenir les conflits, c'est aussi faire connaître davantage les droits les règles de la République. Et euh, nous avons fait, euh, puisque euh, j'ai une autre casquette, j'étais, je suis Yali, Yali, hein, membre du mouvement Young Africa Leadership Initiative. Mmh. Et cette casquette me sert encore même dans le cadre du mouvement du monde. Et je me souviens, en 2016, nous avons fait une initiative qui consistait à aller voir les jeunes pour parler du leadership. Comment utiliser les valeurs du leadership pour prévenir les conflits. Et nous sommes partis dans des zones où les gens ne parlent pas français. Mais il faut qu'on se parle dans notre langue nationale, mhm. qu'on explique qu'est-ce que nous avons tous en commun en tant que Nigériens et comment chacun va se servir de ce que nous avons pour éviter de se faire utiliser. Et l'autre chose, euh, vous la question était les conséquences, mais moi je, je vous parle plutôt de comment nous allons prévenir. Hein. Mhm. Et parce que je ne souhaite, on ne souhaite même pas que cela arrive pour que nous vivions Les conséquences. Nous savons que dans la majorité des cas, les conflits politiques ont des conséquences dramatiques. Ça, mhm. il n'y a même pas à, chercher. Mais pour les prévenir, nous savons aussi que si notre jeunesse est suffisamment bien formée, si notre jeunesse est suffisamment encadrée, et l'autre de la formation aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne se faisait pas avant que nous commençons à intégrer dans le monde, on va le faire beaucoup, c'est les questions liées à l'entrepreneuriat. Nous allons beaucoup encourager les jeunes à avoir des valeurs entrepreneuriales, à entreprendre davantage parce que les mécanismes sont en train d'être mis en place. Vous savez, c'est quoi une des premières vertus de l'entrepreneuriat C'est que ça permet de lutter, de lutter contre l'oisivité. Mmh. Ça permet de lutter contre le manque d'objectifs dans la vie. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins avec un objectif. Quand on a quelque chose à perdre, quand on est occupé à, faire, à réaliser quelque chose pour changer sa vie, on est moins tenté à aller à la violence. Mais lorsque on est désespéré, lorsqu'on n'a pas d'alternative, lorsque on, ne croit plus à l'avenir, là, on devient comme une allumette. Il suffit juste que quelqu'un hmm, vienne, gratter. et on a l'étincelle. Hmm. Vous voyez Donc, on a vraiment beaucoup de leviers. Et l'autre chose auquel nous croyons beaucoup, et je pense qu'en tant que Nigériens, nous, devons, nous savons que les équilibres, surtout au niveau même de la société civile aujourd'hui, les leaders d'opinion que nous avons, que ce soit dans les champs religieux, le rôle est important. Le fait que le Nigérien, nous sommes une société majoritairement de personnes croyantes, ça nous aide, quelles qu'en soient les confessions. Parce que cette croyance nous permet de savoir que nous, il y a des choses qui sont proscrites par les religions, mhm. par les cultes auxquels nous, euh, que nous pratiquons. Mhm. Encore une fois, ce que tout le monde doit retenir, c'est qu'on n'a jamais vu et c'est très rare que les hommes politiques eux-mêmes viennent se, rentrer dedans et se cogner directement. On utilise toujours quelqu'un, n'est-ce pas Mais ce quelqu'un, maintenant, il va comprendre. Il ne va pas se faire utiliser. Il va faire son travail de citoyen. On sait que, comme disait Hamidou, voter est un droit, c'est un devoir, c'est un exercice citoyen. Donc, le défi aujourd'hui, c'est que nous tous, en tant que personnes d'abord, nous le comprenons comme ça et nous l'exerçons et que nous appelons la grande majorité à agir de cette manière. Et comme je vous dis, nous, nous croyons beaucoup à l'entrepreneuriat. Nous pensons que plus les gens sont outillés sur les questions de leadership, plus les gens sont outillés sur les questions de citoyenneté, plus on leur crée des opportunités économiques, plus on crée un apaisement. Naturellement, il faut aussi, dans tout cela, qu'il y ait une égalité hein, devant la loi. Il ne faut pas qu'il y ait des ruptures d'égalité. Donc voilà vraiment les choses sur lesquelles nous travaillons. Donc, euh, merci, merci Monsieur Cédric euh, Soulet, secrétaire euh, général du mouvement Monde Courtia. Euh, nous allons revenir avec M. Hamidou Moussa, qui est euh, le chargé des projets au niveau du ROTAB réseau des organisations pour la transparence et l'analyse euh, budgétaire. Monsieur Hamid Moussa, dans vos interventions précédentes, vous avez parlé du deux tiers du territoire national qui est sous menace d'insécurité et aussi d'un certain nombre de prémices des tensions électorales. Dites-nous aujourd'hui, selon vos analyses, quelles conséquences peuvent avoir les tensions en période électorale sur le climat politique nigérien Bon, euh, je l'avais dit, euh, je vais commencer là où mon prédécesseur euh, Suleiman avait fini, quand il parlait de l'égalité, mhm. euh, que les, on doit traiter les citoyens au même pied d'égalité. Et je pense bien que c'est un pilier très important dans un pays. Il faudrait que nos dirigeants mhm. changent à respecter les réglementations en vigueur et les traités ratifiés par notre pays. Je pense bien que quand il y a justice, tous les citoyens se sentent vraiment protégés. Mhm. Mais quand il y a l'injustice, il y a la frustration et, eh ben, ses conséquences risqueraient d'être fâcheuses pour tout le monde. Maintenant, je vais en venir par rapport euh, à l'insécurité. Mhm. Euh, aujourd'hui, c'est c'est vraiment un fléau qui mettra en danger ces élections à venir. Imaginez la région de Tilaberi. Tous les départements de la région de Tilaberi sont en état d'urgence. Ça fait quelques, ça fait presque un an. Mhm. Et si vous prenez le cas de la région de Difa, qui était en état d'urgence depuis 2014. Maintenant, comment, quelles sont les mesures que l'État mettra en place pour que ces citoyens qui vivent dans ces localités puissent exercer leurs droits civiques en choisissant le candidat qu'ils veulent. Pour vraiment remplir ça, je pense bien qu'il y a vraiment un travail à faire. Mhm. En dehors de, Tilabéry, Difa, vous prenez le nord Tawa mhm. et le sud-ouest Maradi dans la zone de Madarumfa, c'est une tension aussi qui, se, qui vivent que vivent les populations dans ces, différentes, dans ces différentes localités. Des enlèvements de tout genre, des de, banditismes à grande échelle. Je pense bien que notre pays est menacé sur l'aspect sécuritaire. Mhm. Maintenant, euh, les paramètres à mettre en place pour pouvoir sécuriser ces zones-là en période électorale, l'État devrait songer et mettre beaucoup de moyens. D'accord. Quelque part, il y a eu aussi euh, les citoyens nigériens de la diaspora qui n'ont pas été euh, recensés, qui ne sont pas encore recensés euh, suite à la situation de la pandémie du coronavirus. Selon vous, quel impact cela peut-il avoir sur les élections à venir Il y aura un impact très négatif si nous prenons en compte que la diaspora, elle seule, représente la 9e région du Niger. Mhm. C'est une marge importante de la, des citoyens nigériens qui vivent, là-bas et qu'on n'a pas pris des mesures adéquates pour que ces gens-là puissent euh, remplir leurs devoirs civiques. Et là, c'est un problème parce que les mesures euh, de la pandémie ne peuvent pas entraver l'enrôlement de ces citoyens. Nous, on avait eu à évoquer ça avec même euh, le président de la CENI lors d'une rencontre où il, dit, disait à, l'époque c'est pratiquement impossible euh, vu euh, la, pandémie qui, qui sévit dans le monde entier. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, pour faire euh, une activité, les gens n'ont plus besoin de se déplacer. On fait des télétravail, on fait mhm. des, des conférences visio, des webinaires, des, des régions Zoom, mais nous avons des représentations au niveau de ces pays. Nous avons des consulats, nous avons des ambassadeurs et qui ont des équipes pour recenser nous, les citoyens nigériens dans ces localités. Je pense bien qu'on peut utiliser vraiment les outils de l'informatique. Donc, merci M. Euh, Hamid Moussa, chargé des projets au niveau du ROTAB, Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir. Mais avant de se quitter, on va euh, demander à tous les invités de nous dire quel appel ont-ils à lancer à l'endroit des acteurs de la scène politique, des organisations de la société civile, de la population nigérienne en général, pour que nous puissions euh, créer les conditions de prévenir les conflits en période électorale et aussi savoir euh, comment gérer ce conflit quand ils vont surgir. Commençons par Seydou Souley, qui est secrétaire général au niveau du monde courtier. Merci beaucoup, Al-Mustafa. Euh, j'aimerais euh, faire simple. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de planète B. On n'a qu'une seule planète. Il n'y a pas deux Niger. Il y a, un seul Niger, n'est-ce pas Et ce seul Niger, nous savons combien il est cher pour chacun d'entre nous. En principe, il est, il est très cher pour nous tous. Donc, si quelque chose vous est cher, par devoir, vous le protégerez. Pour moi, euh, ne pas protéger les Niger, ne pas nous protéger, nous en tant que Nigériens, ce serait de l'irresponsabilité. Et nous ne devrons pas accepter d'être irresponsables. Donc, euh, maintenant, c'est comme dans, dans, tout processus, il peut y avoir des divergences, il peut y avoir euh, des défis, hein. mais moi je pense que notre prière à nous tous est que Dieu donne la force à tous les Nigériens, à toutes les Nigériennes, quel qu'en soit le niveau de défis, qu'à un moment, que nous puissions faire la part des choses entre ce qui nous est le plus cher, qui est le Niger, qui est sa stabilité, qui est notre propre euh, vue en tant que nation, et les petits intérêts. Parce que beaucoup de choses pour lesquelles, souvent, il peut y avoir des difficultés, au fond, ne sont que des petits intérêts. Donc nous pouvons, euh, je pense que nous allons euh, aller au-delà de ça. Et au niveau du monde, c'est à cela que nous croyons. Nous croyons fortement au Niger, nous croyons fortement à ce que nous pouvons faire en tant que Nigériens, nous croyons fortement que chacun d'entre nous, chaque jour, est en train de travailler à un changement. Et même si on ne le dit pas assez, tous les Nigériens qui se lèvent chaque matin pour se battre pour eux-mêmes, pour leur famille, ils se battent pour leur pays aussi, ils contribuent à un changement, et parce que nous sommes ces Nigériens, parce qu'ils sont ces Nigériens, parce qu'elles sont ces Nigériennes, je pense que ce changement doit être positif, et nous devons être nombreux à nous battre pour ça. D'accord, merci Monsieur euh, Seydou Souley euh, Mahamadou, secrétaire général du euh, monde du mouvement Monde Courtia. Nous allons écouter Monsieur Hamid Moussa. Dites-nous quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de tous ces acteurs qui interviennent dans le processus électoral pour aller vers la prévention des conflits et pouvoir les gérer quand ils vont surgir et aller vers une élection apaisée, transparente et permettre au Niger de connaître une alternance pacifique. Euh, j'en appelle à un sursaut patriotique à l'ensemble des citoyens et citoyennes nigériens, parce que c'est comme avait dit euh, l'autre, le Niger nous est cher. Nous n'avons pas un, autre pays en dehors du Niger. Et il y a des exemples que nous avons, des leçons à en tirer, parce que euh, en 2002, je me rappelle, j'étais en vacances en Côte d'Ivoire et il y avait eu des tensions politiques qui a déchiré ce pays qui fait bon vivre. Nous, nous avons vraiment des leçons à tirer. Les Nigériens, dans son ensemble, je sais que le Nigérien est pacifique. Nous ne sommes pas violents. Mais les acteurs, les principaux acteurs, je lance un appel à eux, qui est la classe politique. Cette classe politique devrait se regarder dans des miroirs et réfléchir mille fois pour pouvoir prendre des décisions. Et s'ils prennent des décisions, de prendre des décisions dans l'intérêt du pays et non des intérêts individuels et masquins. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre forum de ce soir euh, qui nous a permis d'échanger sur euh, la thématique de prévention et gestion de conflits électoraux au Niger pendant ce moment des préparatifs des élections électorales 2020-2021. Nous avons retenu euh, dans ce forum il faudrait créer les conditions de faire un sursaut patriotique, que chacun des Nigériens doit créer les conditions de militer dans le sens de préserver la paix qui nous est combien de fois chère, puisque comme l'ont dit nos différents invités, nous n'avons qu'un seul Niger et il appartient à chacun de nous de se battre pour préserver la paix et créer les conditions que nous puissions vivre dans cette paix que nous avons connu. Donc l'ensemble des Nigériens doivent lutter à préserver la paix et à créer les conditions que les élections prévues pour 2020-2021 puissent se tenir dans un climat de cohésion sociale. En espérant que les débats, les échanges vous ont permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez au quotidien, nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés à travers ces 45 radios partenaires et depuis le 1er octobre sur cinq télévisions partenaires, dont quatre à Niamey et une à Zender. Nous étions dans ce forum en compagnie de Seyd Souley Mohamadou, qui est secrétaire général du mouvement Monde Courtia, de Hamidou Moussa, qui est chargé des projets au niveau du rotab réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Nous avons donc euh, également invité la CENI, euh, Commission électorale nationale indépendante, et également le NDI National démocratique Institute, qui n'ont pas répondu présent pour la tenue du présent forum. Donc, mesdames, messieurs, merci de rester fidèles au programme du studio Kalangou et à bientôt pour un autre forum d'actualité.